depuis lundi euh, dama jot information comme quoi euh, information émanant du ministère mhm. euh, comme quoi euh, les chèques pour l'aide à la presse sont disponibles sont disponibles donc ma tas très bi mhm. euh, pour toutes les entreprises de presse mhm. donc ñoom ñu dem jëli mhm. euh, seen mais bu ñu jëli seen chèque ils ont constaté que lu ñuy que montant bi dañ doublé euh, du ça ne s'est pas vérifié et puis bi vraiment ñu comme montant bi aide bi malheureusement cela n'a pas été le cas en fait comme je l'ai dit, ko nous rencontrons le président de la république. Mhm. daf ñu may. Mhm. pour que euh, ministère bi bala muy de aide bi. Mhm. définir ay critères parce que. Euh, lolu dafa am solo. kan mo am droit ci aide à la presse. ak kan mo amul droit euh, ci aide à la presse. Euh, ñaarel bi ñun dañu ñaan président de la république mu nangul ñuko pour que mu am un arrêté de répartition. te loolu non non ñu respecté loolu yépp donc loolu mo indi coow mhm. alors ciowli amna aide à la presse gis nañ ne monsieur Kane euh, c'est désolant hein. chaque année même ciow moy de le soir si aide à la presse bi alors yan moy critère d'attribution aide à la presse bi. waaw euh, fofu nak mhm. dama wara wax mhm. actuellement y' a un vide juridique. manam Euh, bu njëkk ba. Euh, dafa amoon loi bu nga xam ne moom la ñu wooyee loi quatre-vingt-seize. Mm. zéro quatre. Mm. moom moo régiroon le mm. secteur de la presse maanaam moo nekkoon code de la presse bu Sénégal. Euh, si bir loi pour l'aide à la presse dafa mm-hmm. définiront ay critères mm-hmm. cinq critères hein, mm-hmm. pour nga bénéficier aide à la presse donc euh, loi bobu dañ ko abrogé bu le nouveau code de la presse en juin 2017 ñetti pas donc si bir loi de dañu prévoir ben institution bu nga xamné mom régler euh, les sur le financement de la presse muy sous forme de subvention wala d'autres manières kooku ñu nous koy fonds d'appui et de développement de la presse code de la presse c'est ce régir loolu malheureusement nous euh, dafa waroon am benn décret bu nga xam ne moom faram fonds d'appui et de développement de la presse et malheureusement ba léegi ba jamono bu ñuy wax ak yow euh, décret d'application Bobu n'a pas été pris mhm. moo conseil des ministres mhm. euh, du 6 mai dernier mhm. président de la république euh, jox euh, ordre ministre de la communication n'est ko donc processus donc léegi comme amaguñu décret d'application Bobu, donc il y a une sorte de vide juridique mais vide juridique relatif parce que l'esprit de la loi on n'est préserver mhm. Mhm. Euh, l'esprit de la loi mhm. euh, la loi 96 04 euh, entreprise de presse de, organe de presse mais ligue, entreprise de presse ñoo ñoo moom aide à la presse. entreprise de presse c'est-à-dire. entreprise de presse maanaam. Mm. nga am un registre de commerce. Mm-hmm. dégg maanaam euh, mm-hmm. comme ni ko code de la presse bu bees bi waxee. Mm-hmm. Euh, nga am un registre de commerce. nga am. un INEA. Mhm. de nga am personnel le professionnel. Mhm. nga un da nga journalistes ak ay techniciens des médias. Mhm. sur la base de contrat yi nga enregistré. au niveau de l'inspection du travail. ngay di fay euh, donc l'impôt euh, ce euh, ce personnel. mu meuna bénéficier. de la couverture médicale ce personnel nous a am ay cotisations sociales pour la retraite mooy IPRES mm. ak pour la caisse de sécurité sociale concernant les accidents de travail et les mm. allocations familiales mm. donc euh, boo nekkee entreprise de presse am nga droit ci loolu euh, euh, malheureusement de nous seetlu mon nom dinañ ci après le ministre bi dafa jël xaalisu presse bi dal di koy passer passer de nga jox ko ak ay nit ñi nga euh ce droit euh aide à la presse bi actuellement le ministre bi daf koy distribuer ñu nga xamné duñu entreprise de presse. ah oui waaw. am ngeen ci ay ki preuve yu leer. ah déedéet non loolu kay mën na la ko wax ah, allez-y euh, euh, les radios communautaires. Mm-hmm. dégg hein? mm-hmm. ce sont des associations. Mm-hmm. dégg amu hein? amuñu droit. si aide à la presse. parce que aide à la presse c'est aux entreprises de presse. ñaareel bi euh, am na ay sites d'information. sur internet. am nañu ay journaux dégg nga yuy génn. Mm-hmm. mais constitué en entreprise de presse. Mm-hmm. mais entreprise de presse yi nga xamante ne du ñu non non non maa ngi si non non maa d'accord donc am à ay euh, site d'information mm-hmm. Euh, man mun naa nekk inspecteur des impôts. Mhm. dégg nga ma am suma site internet bu ma wàccee après ma jël suma ordinateur. dégg nga mhm. daal di dugal yenn information et cetera et cetera. Mhm. Euh, may euh, may revendiquer aide à la presse. waruma am droit. revendiquer aide à la presse parce que bokkuma si. ñi nga xam ne ñoo constitué en entreprise. ñoo am droit. si aide à la presse.